bi de arbitre muy muy Issa muy Issa Assi mi ngi noonu. une ambiance électrique ici au stade Iba Mar Diop diggante Jaraaf ak li nga xam ne mooy Pikine voilà coup d'envoi bi donné nañ ko mu Ndiaye mu door bal bi noonu directement ci landing Badji landing ji nag moo nekkoon ki nga xam ne mooy gardien. titulaire côté Pikine à voyager mon landing Badji dégagé na non, loin devant mu jëm ci tête de Moustapha mu ngay je ku pour Dame Sec Dame Idrissa Sissé, Idrissa pour attention attention Modou Mané Mané oh pour Dame sec. Attention, dañ dem Vamos dañ dem Mané Pato Pato Modou Mané pour kan le Touré attention bon ballon amul le Touré Attention, penalty, penalty, le but. C'est le but. Le but de Hussein Touré. Le but de Hussein Touré. Le capitaine de l'AIC Giraffe qui l'ouvre. Le score, le but. Le premier but de Giraffe. C'est Hussein Touré, le capitaine emblématique de l'AIC Giraffe qui ouvre le score à la 19e minute, à la 20e minute. Voilà, Coach Giraffe. Yaraf qui ouvre le score par leur capitaine Ousseynou Touré. soo les déplacement. attention Mamadou Lo attention attention Boxer voilà 6 mètres. Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye attention déviation arbitre Issa oh. donc 6 minutes Barna. attention Modou attention bateau Modou Mané oh Modou attention oh c'est le défenseur qui sauve. voilà c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Oui, c'est la mi-temps. Moussa ndax day dem Moussa aca Moussa yaa ko mën Moussa aca talon la dem Pato Pato aca Pato BG Ousseynou Touré Ousseynou ndax day centré attention Ousseynou deuxième Pato oh xool attention Babacar Ndiaye Boubacar Ndiaye ñaax centré na bal bi attention Abdoulaye Diakhaté eh? attention attention Cakala attention attention ñeex attention de le poteau oh attention attention pour Pikine ba Pikine ni pousse oh heureusement la la merci à Bakhaw merci aux supporters de l'ASC Jaraaf ñom ngeen di seen noonu ñoom ngeen di seen noonu ambiance électrique